bon gars yi euh, li gars yi di wax yëpp ay fen la naan président yegsi na ba xaw ma dañ ko créer problème c'est pas vrai président yegseegul mu ngi nii actuellement di waaj a ñëw donc tu as vu que léegi actuellement gars yaa ngi nii di ko accueillir gis nga actuellement la rue est là euh, lii nag dans Diaspora News TV vous avez la réalité on va vous informer juste et vrai. Actuellement, Mougini, donc euh, on attend l'arrivée du président. On attend l'arrivée du président. Actuellement, il y a Karnane, il fi dof dof lu gars yi coob la waaw fii ku fi dof dof lu gars la la wax son mensonge président yegg seegu gis nga sont les militants Ah, il y a ku ko gis militants ça c'est les militants du de paix ñom ñep tous derrière le candidat choisi wa gis nga mu ngi ni actuellement ni te a naa ambiance bi ku ko c'est l'arrivée du président s'approche le président va bientôt sera bientôt là le président sera bientôt là waaw président mu ngi nii di waaj a ah, ñëw gis listen. parce que vous avez vu tous les Sénégalais sont là ils sont là pour accueillir le président de la République Il y quelques postes d'opposants ay boy tux sen yamba rek nek nan ay opposant lañ mais li mom leer na nañ nañ nañ nañ nañ waaw bu len kenn am lu len wax waaw il y a que des jeunes qui sont là bien que le président ne fait pas son troisième mandat mais vraiment tout est clair waaw tout est clair waaw leen luñ ñu leen wax ay fen la waaw laa nag ñu xaar tuuti le président ñëw ñu won leen image yi ok jaajëf